lutteurs, parce que tout le monde sait qu'ils ont un mémorandum qui va être déposé sur la table du ministre et nous allons discuter en profondeur de certains points en attendant de continuer les concertations. Je voudrais saluer la présence de Mbaïgei, notre doyen, le doyen Biram Ndiaye, le doyen Doublesse, les anciens lutteurs qui sont là, que ce soit Kati Diop, qui est un doyen aussi, Mustapha Gay, Kadim Diaye, qui est en activité. Mais les VIP, comme on les appelle, les grands lutteurs comme Gris et les autres, les, les Lac de Guerre 2, et tous les lutteurs du Sénégal. Parce que je voudrais dire encore une fois que cette rencontre est tout à fait normale. C'est une rencontre qui est tout à fait normale, je dis. Il vient d'arriver on en parlera. Mané, Mané, c'est une rencontre qui est tout à fait normale. Comment ça va Donc je disais que cette rencontre-là, même si elle a l'allure d'une rencontre exceptionnelle, c'est une rencontre tout à fait normale. Nous avons une discipline qui nous est chère, qui est la lutte, qui est une discipline de chez nous et qui doit continuer à exister et à être bien encadrée. Si les acteurs ont des choses à ajouter. Si les acteurs veulent évoluer dans la prise en charge, c'est tout à fait normal que le ministre que je suis appelle à cette concertation pour écouter ces acteurs clés de la lutte, pour savoir les doléances qu'ils vont poser sur la table, mais discuter avec toutes les entités de la lutte. Je le disais à Mustapha, je le disais aussi à Khadim Gadjaga, que 2018 doit être une année de mobilisation, de concertation et de réflexion pour aller vers l'ouverture de ce qui nous manquait, qui est l'arène nationale, qui est un investissement de 32 milliards. Ça ne peut pas nous donner, en tout cas cet élan-là, un engagement du chef de l'État devrait être bien compris pour éviter de nous mobiliser et de perdre du temps pour autre chose. Il faut avancer parce que nous sommes tous avec la lutte. La lutte a de la considération. C'est des Sénégalais qui ont beaucoup de personnalités, de nobles personnes qui pratiquent la lutte. Donc, il faudra une bonne considération pour les lutteurs, mais pour la lutte, mais pour tous ceux qui sont dans la lutte. C'est pourquoi j'ai fait, j'ai appelé. Ça n'a pas été une convocation du tout. J'ai invité les lutteurs à venir me voir. Comme je peux inviter demain les amateurs à venir me voir. Comme je peux inviter d'autres personnes à venir me voir. Demain, je pourrais inviter les promoteurs. Après-demain, je pourrais inviter les managers, etc. Mais sachez que l'un dans l'autre, c'est pour mieux organiser la lutte, mieux prendre en charge les préoccupations des acteurs de la lutte. C'est ça la démarche que j'ai. Et si j'ai l'honneur de recevoir tous ces ténors, tous ces anciens lutteurs, tous ceux qui travaillent autour de la lutte, je pense que nous pourrons passer quelques heures de discussion, d'échange, mais l'objectif devrait rester le développement de la lutte. On ne peut pas sortir de ce cadre parce que ce qui nous réunit, c'est la lutte. On pouvait se poser des questions il y a de cela quelques années. Est-ce que la lutte occupe une place importante dans le développement économique et social de notre pays. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se poser cette question parce que ce qui n'est pas important ne peut pas engloutir 32 milliards. Donc l'État du Sénégal, avec, euh, avec ça, on est dans une dynamique de construction. Et j'en appelle à la sérénité et à la responsabilité de tout un chacun pour qu'on puisse discuter et nous écouter et nous entendre. li légitime tout bu ñu dajee ndaje bu mel nii balaa ñuy bàyyi journaliste yi ñu may ñu ñu waxtaan bu ñu génnee wax ak ñoom moo tax ma wax Lamine léegi wax ji mu wax rafet na mais dama bëgg bu ñu génnee ñu toog ñaan dugg ci ay ñaan ku nekk ci religion bi nga nekk pour yàlla may defal ñu ndam ci waxtaan wi ñuy waxtaan waxtaan wi nag nekk lu extraordinaire jàppewuma ko loolu parce que convoqué wu ma l' des lutteurs dama leen a invité ki la invité nag mooy dafa bu ngeen toog waxtaan lamb ji ñun ñëpp ko ni Mustafa bëggee lamba. am ci responsabilité amateur ba nekk fongale mi bëgg làmb non la bokkee ci làmb ki nga xamante day toog bu ñuy bëree dootu xam fu mu nekk kenn gënu ko bëgg làmb ku nekk nag dafa am rôle boo ci joué tey ñiy bëree ak mag ñi nga xamante ne ci làmb ji lañ nekk ñoom lañ toogal di waxtaan suba dinañ toog ak keneen ak keneen ak keneen lépp li sabab mooy nan la def ba làmb ji gën jëm kanam daje bi ak ñi fi daje yëpp war nañu xamné lépp dañ ko wara waxtaan ci dal xool nan lañuy def ba yëf yi gëna baax dajale xalaat yi loolu moom mooy solos waxtaan bi lamb nag képp ku ko doon xeeb te yàgg naa koy wax te dara amul wax naa ko ci wolof wax ko ci tubaab wax ko ci séeréer nee naa kuy sénégalais te di lamb complexe nga loolu man maa wax et j'assume j'assume, j'assume, j'assume mes responsabilités en le disant li tax ma wax ko mooy làmb suñu la technique nit du xeeb cosaanam soo bëggul lambit, bul sànni xeer lamb. So bëggul lambit, bàyyi lamb ak l'ambam, mais ñun li suñu cosaan la ñu nekk ci te yéen suma len invité ngeen ñew lu rafet dama koy rafetlu parce que bu len neexoon dox sen dox continuer wax seen wax waye xamne ne ci yeen la bok bu lamb amé lu neex ni ngeen koy yegge la koy yegge bu amé nakar, ni ngeen koy lu la koy nakar dañ may taxé sax ministre lamb waye nanguna parce que bëgg sa la bok bu fekkee né nak lamb day dox ay nit diko xép ba yëf yi andi ay millions ba président Macky Sall décidé investir 32 milliards ci lu jëm ci lamb da fay jaadu ñu joxante loxo liggéey ba jëriñoo loolu nga xam te mooy investissement bi parce que kenn mënatu la wax ne le gouvernement du Sénégal le président Macky Sall joxul gëdd lam kon nag ay gor ñoo nekk ci làmb ji ñooy bëre ñooy supporté ay gor ñooy uuf seeni doom di leen yóbbu ci làmb ji ay gor ñooy investir seen xaalis ci làmb ji waaw gor ñooñu nag bu ñu dajee dajee kilifa gu nangu ànd ak ñoom ci liggéey dafay laaj lépp ñu waxtaan ko ci dal waxtaan ko ci xel ba mu jur jàmm jur lu baax ba làmb ji gën a jëm kanam loolu mooy la déclaration préliminaire bu may def di remercier les journalistes sportifs parce que nag sans yéen làmb du yegg fi mu yegg yéen a tax nit ñi ñu xam leen yéen a tax xam xam tax ñu xam li ñuy def waaye waxtaan wii nga xamante ne moom lay waxtaan ak ñii nga xamante ñoo ma wuyu si tey dama leen di ñaan su ma paree li may wax ñu retirer leen ngeen xaar tuuti rek ñu échanger su laajee lu ñuy wax ñi ko war a wax dinañu ko wax su ko defee ñu continuer liggéey bi te xam ne waxtaan ci la lépp xej waxtaan ci la lépp di defaroo loolu moo tax ma woote tey ñu déggal ma ko ma nous ci sant di Moustapha bu baax baax di parce que bu ñu ma déggalu wala ñu sentir ne maak ñoom ñoo bokk li ñuy def mënoon c'est une forte considération bu nous am ci ñun moom moo ñëpp ñëw kon invité à la sérénité invité ñëpp sens de la responsabilité pour que li ñuy wax mu jural làmb ji njëriñ jural Sénégal njëriñ maa ngi leen di sant di leen gërëm